le Sénégal vaut 100 fois mieux et plus que Macky Sall et son petit groupuscule. La gendarmerie n'a caressé une gendarmerie républicaine. La police n'a caressé une police d'État. te ne bàyyi pas ñu nekkee le 14. waaw waaw meeting.

parce que par rapport bi ñuy def jaru ko récuser le juge parce que juge bi mbokk la le juge. nga le ko. xarit la ci le li tax ñu juge